C'est la période des grandes vacances et aujourd'hui dans votre émission Tous à la Fada, nous allons diriger notre discussion sur les activités que font les jeunes pendant cette période et en quoi ces activités sont-elles importantes pour les jeunes et quelles sont surtout ces activités-là que les jeunes priorisent ici à Niamey. Wato shirin namu ya ne akan matasa ke yi a lokutan da ribar da matasa ke samu a ciki. Nombreux sont les jeunes qui profitent des grandes vacances pour s'adonner à des activités génératrices de revenus, du petit commerce, des métiers provisoires par exemple, pour subvenir à leurs dépenses de vacances et aussi préparer la rentrée prochaine, notamment avec l'achat de fournitures scolaires et des habits ou tout simplement pour apprendre un métier. A lokutan matasa na amfani da hutun nasu suna 'yan sana'o'i kamar saide-saide ko kuma 'yan ayyuka kama daga ɗinki, gini, kafinta, kanikanci da sauransu. Menene mahimmancin matashi ya kama sana'o'i ko kuma aiki a lokacin hutu? Waɗanne sana'o'i ne suka fi son yi? Menene riba a ciki? Mi suke koyo? Amfani mi suke yi wa kawunansu da ma iyayensu? Amsa a cikin wannan shirin namu na haɗa fada tare da mu matasa a cikin mintuna talatin da biyar da shirin namu yake ɗauka. Abdulkadir Cambiano akan ishi. Profit. Masauraran mu yi a cikin fadar tamu da ta yadda zango a tsakar filin studio kalangu muna tare da manyan baki kamar yadda na faɗa da suka garzo fadar tamu ta yau domin amsa kiran mu da tambayoyin mu zan fara da wacce take dama ta kuma musamman a cikin wannan lokacin na hutu zan fara da wacce take dama ta sannu ko zaki gabatar da kanki ga masu sauraron mu assalamu alaikum ina kwanan ku wa alaikum mm, je m'appelle Farida Sadu Dure Je suis dans la cosmétique depuis un an maintenant et je suis dans le maquillage. Ça fait à peu près deux ans maintenant. Je fais des formations et je maquille aussi des gens. Et vous êtes aussi étudiante Oui, je suis étudiante en troisième année en transport logistique à l'SKE du Niami. Bienvenue dans notre Pada Merci. Et à côté d'elle Eh bien, moi je me nomme au nom de Omar Samna. J'étais élève, donc j'ai fini l'année passée et aujourd'hui je suis entrepreneur. J'interviens dans le cadre événementiel, notamment la décoration. Sunana Abdelmajid Saminu, élève né en classe de 3e. ina aikin hannu kamar gini da kin yin aika kanga na lebron da maneuver da kin yi aika da kanga na aikin gini. Je me présente au nom de Haruna Bakwaye Nana na Aisha, étudiante règlement inscrite à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Abdelmoumine. <laughs> Ma première question, celle avec laquelle je vais commencer, Frida, a cikin wannan lokacin Je fais toute activité qui peut me fournir un revenu et ils sont multiples. J'ai plusieurs tâches. Le maquillage à domicile et tout comme je peux me déplacer et tout comme les clientes peuvent venir chez moi me retrouver. Et je suis sur la cosmétique, je fais des laits corporels, des gommages, des gommages dont moi-même je peux me déplacer pour faire ça à domicile et tout comme les clientes peuvent venir chez moi pour que je leur fasse ça. Et je fais des savons éclaircissants et clarifiants aussi. Vous formez des jeunes aussi pendant oui, je fais, oui, je forme des jeunes dans les vacances. À votre avis, pourquoi c'est important qu'un jeune fasse un métier Tout d'abord, c'est pour soi-même pour arriver à subvenir à ses propres besoins quotidiens et jusqu'à aider quelqu'un de son milieu, sa famille, ses amis etc. To Farida, Comment tu fais la promotion Comment tu attires les jeunes sous qui eh, ce sont des élèves que tu formes Des élèves, pour la plupart des cas, c'est des étudiantes plutôt et des mères de famille. Des mères de famille, des femmes mariées et tout. Comment tu fais la promotion de ton métier tout d'abord, j'organise des jeux de contact pour avoir plus de numéros, plus de connaissances et après je lance le jeu et je lance la formation en même temps. Des fois c'est à ligne et des fois c'est sur place, j'organise ça à la maison ɗalibi ya samu wani aiki ko ya kama wata sana'a a lokacin hutu ni gaskiya ina ga ina ce kama ɗan talibi ya samu ya yi sana'a a lokacin hutu abu ne na kwarai tunda yau ina ɗauki example sama na tunda ni j'ai étudié à l'ENA en fait Donc, euh, je j'ai fait le cycle 1, le cycle 2 et, le cycle 3. Donc, ça m'a fait 9 ans de formation en administration générale. Et juste après le niveau 2, donc avant de continuer au niveau 3, avec euh, le manque d'emploi et tout, je me suis dit que voilà, si je dois continuer le niveau 3, donc je dois commencer à entreprendre. C'est là ne Et yo, yau alhamdulillah Dieu merci. Entreprise in tashi gaba sosai. Bare na ida karatu kuma entreprise tana da shekara muna cin shekara na uku. Don e duka yawanci masu yi aiki kuma talibai yau yanzu zan can da nake muku akwai ma wanda suna can suna yin aiki tunda yau akwai mutane da dama da muka ida tare da su suna nan suna zamne suna jira wayan da ma muka yi karatu tare akwai da yawa suna suna ce su zo mu yi aiki tare kwa kun gani ko yau inda lokacin ina karatun nan na ce in ni jira sai na ida karatu in je ni aiki yau da ni ma ina nan ina jira ko ina nema kun gani dan shi ne gaskiya tun mutum na talibi ya kamata a ce yana karatu tunda abu ne da zai gyara eh, yana aiki hannu tunda abu ne da zai gyara shi ko karatun bai kai inda yake so bai kai inda yake so ba tana haka yana isa mu hanya don ku gama ni dan saboda shi zan ce sai ban to kai majid me yasa ka shiga yin aikin hannu a lokutan hutu na zaɓi aikin hannu ne saboda na yi tukazin shekara biyu Allah bai sa na samu ba yanzu ina yi ne samu kuɗin zan yi taimaka maka kaina biya maka kaina saboda zaman banza ba ta gyara na an tanke ne love kuma ina kamata in samu abun zan saye da kin yayi ka kan ga in biya maka kaina kafin rentare yayi saboda zaman banza ba abun kwarai ne ba a cikin vacancy ba lakula ko za ba azwa ko ina da shi san an zaɓi aikin hannu wani aiki kace kake yi aikin maso ne manever akwai wahala yayi eh, gaskiya akwai wahala <laughs> za ku wahala Aisha ko za ki iya ba mu ra'ayinki akan wani muhimmanci ne ga matashi ya kama sana'a ko ya koyi wani aiki a lokacin hutu? Matashi dai ba ma sai lokacin hutu ba kana iya yin shi ko da lokacin da ake karatu. Ba sai lokacin hutu ba saboda yana taimakawa sosai bisa kan sharje ka rage ma uwayenka sharje kamar mu yanzu 'yan mata wurin ba sai kana roƙe-roƙen samari ko kana yawon banza ba haka dai in kana da naka dai shi bon kamun a muka kama kanka akwai sana'ar da kike yi yanzu haka ai eh, kutir nake ne ɗinki nake tun kai shekara nawa kina yi wallahi tun kula shi mama ta take nan gayin shi ita take nan gayi sai na koya wurinta da na koya wurinta sai ta sai man tela nake yi min na actual man ina da mashin kenan ne ma dai wanda nake gayi Et la FADA s'agrandit. Nous avons aussi le jeune homme qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. To ko za ku iya gabatar da kanku ga masu sauraron mu? Eh to sunana Ma'azu Asumana Idrisa. Ni dan makaranta ne a Jami'a Abdu Mumuni. Ina Art Culture shekara ta uku. kamar ku yi so ma'azu muna nan ga tattaunawa a cikin fadar tamu akan mahimmancin matasa su kama sana'a a lokutan hutu. Ko za ku iya ba mu ra'ayinku akan jigo namu na yau a ganin ku mine ne mahimmancin matashi ya kama sana'a lokacin hutu to don saboda leur proper autonomy saboda sanfefa e fer mutum kullum ka to ka ba da hannu ka ce a baka ko sanfefa e fer in yau an baka gobe an baka wata rana mutumin da ke baka yana kana isa shi kwa même mm. si les parents non en tout cas dai Allah dai ke baka kullum kullum bai gajiya da kai ko yawwa to akwai sana'ar da kake yi yanzu haka eh sana'ar mice ce ina menizeri buwa ina pentir eh, kuma tun da tun na kare equal primaire to da vacance ba mu tahiya ko ina muna zama dai gida hakan ga hakan ga to je yi da copen la ne hawar bin su muna zuwa kasuwa da harin ba benizeri nike ya ve an non kalla ina kama mai wajen butik in shana sai da kayan dinki a ne mai nizeri in eh, ta shige min kwa nike bon pourquoi ne pa ise ni shiga yanzu alhamdulillah j'ai a pri je pe faire des choses moi-même ina samu wani abu alhamdulillah dai alhamdulillah A ganin ku a nan Wa wa'in ayyuka ne matasa suka fi suka fi baiwa ƙarfi? Umar. Da gani na, Bon zan ɗauka wajen ɓangaren harkar mata. Tunda nan ne gaskiya na ga ya eh, yan ikol cin bakan suna taya tun da wajen harkar ɗumki da wajen harkar makeup kamar na aisha wala kamar na aisha harkar ɗumki wani harkar makeup na makiyaj ina tun da kowane lokaci su da kansu ma suna da bukatar shi eh, kuma suna profite akwai da dama su suna profite suna yin mutane suna samun yan canjin su ba bon masan dai ne haka nan ban gani ba sosai tunda wayansu elef su suna ganin kama zuwa abin na wani garage wani mansoneri wani abin na eh, kuma na fesa da sauransu dai suna ga balle yan birnin yamma inna suna ga kama sun wuce nan kwa eh, kuma abu ne da gaskiya bai kamata a ce suna da wannan kwa tunda yau in kun ka doka ma can haka duniya yau in kun ka doka can tahiyar duniya ma yawanci mutane da dama wanda sun ka ci gaba wanda ma sun kai arziki bakin haka zuwa karatu bane ne karshen wanda ya je kama kanshi ne ya zo ya buɗe wani abu sai ya zo ya sa wanda ya karatu yawanci duka haka ne wala shi dai ne nake da abin gai yan wa matasa masu sauraron shirinmu a ɗan fada sanin ku ne a cikin wannan shirin mukan bai wa 'yan matan studio kalangu fili inda suke kawo mana ƙarin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi 'yan mata a cikin filin nan nasu kenan mai laƙani da la rubrique rose tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans l'espace beauté d'aujourd'hui, nous allons aborder les astuces beauté à faire pour affronter la saison des pluies qui s'annonce. Les filles, ne laissez surtout pas la météo vous abattre. Pour brillante, Étape maquillage délicate, cheveux indomptables, les désagréments liés à la pluie ne sont pas une fatalité. Il suffit d'adopter quelques réflexes beauté pour garder une belle peau et un teint radieux malgré l'humidité. Optez pour une base de teint adaptée. L'excès de sébum et les brillances localisées sur la zone médiane du visage sont des problématiques directement liées à l'humidité. Pour combattre ces désagréments, vous pouvez modifier votre routine beauté et vous tourner vers des produits plus adaptés. Pour commencer, gommez régulièrement votre peau ou appliquez un masque purifiant. Le matin, il est préférable d'utiliser une crème matifiante légère avant de vous maquiller. Pour un teint propre et lumineux tout au long de la journée, essayez une fluide matifiante. Faites un maquillage léger. En cas de forte humidité, optez pour un maquillage léger et naturel. Il est préférable d'éviter les crèmes et bases de teint trop riches. Cependant, vous pouvez appliquer une crème teintée unifiante qui, en plus de donner de l'éclat au teint terne et de protéger la peau contre les premiers, les premiers signes de l'âge, constitue une excellente alternative aux poudres de teint. Ces dernières auront tendance à laisser des traces sur le visage en cas d'humidité. C'est tout pour les astuces beauté de ce samedi. D'autres astuces vous attendent dans la rubrique de demain. Bonsoir les amis de la rubrique rose, ravi de vous retrouver dans cet espace doux et parfumé de l'émission Tous à la Fada. La saison des pluies s'installe et apporte le temps agréable avec elle. L'odeur de la pluie vous transportera dans un tout nouveau monde. Cependant, comme vous le savez, tout n'est jamais toujours beau. Au Niger, cette saison transporte son lot de poussière. En plus de tous les dommages que peuvent causer d'âmes poussière et l'air humide sur vos accessoires, mobilier de maison et la santé au passage, dans cet espace entretien des maisons, nous vous proposons quelques conseils pour vous aider à prendre soin de votre maison pendant la saison des pluies. Faites examiner et combler la toiture au besoin. Examinez le toit pour voir s'il y a des fuites et des fissures. Si vous voyez une fissure, agissez immédiatement les écoulements d'eau de pluie peuvent endommager vos moquettes, meubles et installations électriques. À cela s'ajoutent toutes ces sensations et odeurs désagréables causées par l'humidité. Vous devez aussi prévenir l'invasion des insectes pour profiter de cette saison au calme. Les insectes peuvent rendre la saison des pluies désagréable et irritante. Dans un premier temps, ils peuvent être la cause de maladies saisonnières comme le paludisme ou la fièvre typhoïde toutes les précautions sont bonnes pour éviter de tomber malade pendant la saison des pluies. De plus, les termites et les fourmis peuvent endommager vos meubles et d'autres pièces de bois coûteuses. Vous pouvez suivre les méthodes naturelles pour vous débarrasser ou appeler un professionnel pour obtenir de l'aide. C'est tout pour aujourd'hui. Nous continuerons de prendre soin de nos intérieurs pour mieux profiter de la saison des pluies dans une autre rubrique. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda a studio Kalangu muke da Les activités que font les jeunes pendant la période des grandes vacances. En quoi ces activités sont-elles importantes pour ce jeune et quelles sont les activités qu'il priorisent ici à Niamey? Zam Farida autour de toi. Est-ce que tu peux partager une expérience spécifique à une activité de vacances qui a eu un impact sur ta vie, par exemple ou bien sur la vie de quelqu'un d'autre, comment autour de vous, Kokomoku Kankanku. Oui, effectivement. En fait, à un moment, j'ai eu une petite maladie dentaire. Et quand je l'ai eu, voilà, les parents n'avaient rien sur eux parce que c'était c'était les parents avaient des difficultés oui les parents avaient des difficultés c'est d'un fonctionnaire mais je ne suis pas la seule enfant et tout donc j'étais obligée de prendre tout ce que j'avais dans ce commerce pour aller soigner ma dent. Je me suis dit, voilà, si je n'avais pas ça, ça allait vraiment être une catastrophe pour moi parce que je souffrais. Et voilà, si je n'avais pas pour moi, vraiment, ça allait être, ça allait être autre chose. Euh, Omar, oui. Et vous, est-ce que vous avez euh, des expériences spécifiques à partager avec nous Oui, mais bon, je ne dirai pas sur moi, mais quand même, avec ceux avec qui je travaille. Mhm. Donc, euh, puisque moi, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon entreprise, c'était même en janvier, quoi, vous voyez, donc je partais à l'école et tout. Mais quand même, les élèves qui, qui venaient, quoi, notamment c'est celui qui est actuellement est le chef d'équipe, en fait, quoi. Mhm. Donc, lui, c'était pendant les vacances, en fait, il avait commencé et tout. Et quand il avait commencé, vraiment, il s'est bien retrouvé. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment l'une des personnes incontournables en fait de l'entreprise. Il, mm. est, vraiment engagé, je vous assure. Et même à l'heure actuelle, c'est lui qui est en train de diriger l'équipe. Donc vous voyez, lui, ça a eu vraiment un impact sur lui. Ça fait pas longtemps, c'est un élève. Il est venu avec son portable iPhone pour me dire que voilà, c'est grâce à l'entreprise et tout. Donc vous voyez. Qu'il a pu s'acheter. Voilà. donc vraiment, je dirais que c'est une très bonne chose. to kai mashiru tun da kake yin wannan aikin mi ka samu ka amfana ma kanka ko kuma mi ka samu ka ɗauke ma iyayenka daga cikin dukan sharshi inda ke gare su na ɗauke mu uwaye na nauyin kuɗin recreation haka da wani tufafi takalmi aski wani abu kan ga dai ya shafi ɗan namiji matashi ya kan ga da kuma portable masha Allah hin a ta ba kan su bani portable ko kama ko ba ta yi ga amma da na fara aiki na sai portable na kiredi ban ta kowa ya samu. kuma cewa wani ba ni ko su baka ni ko mini ne ta wajen aiki in samu kuɗi na yanzu in samu kaina masha Allah amma kankane na yayu na dai dan taimaka musu da wani dan problem na sa kanga mazu sai gare ka mm. kai mi ka amfana ma kanka exactement tun da ka fara wannan aikin ko kuma kana da wata experience da kake son kai partage tare da mu wallahi inda experience janne ba ko kwa mm. ban iya sitan su duka amma waɗanda suka yi marke na kwarai su ne su dai so mu comme ni mutun ne découverte voyage de quoi. Et activité in na Nigeria da ça m'a permis de voyager un peu partout ça m'a permis par exemple à toi, ai kaya wajen mu ni tare da su in montage ko hakan ga yana da j'ai envie d'aller quelque part je pars je fais des jours voyage de ke birge ne quoi chaque vacances, il faut que je voyage. En tout cas, je ne peux pas compter le nombre de voyages que j'ai fait. comment ni scout ni quoi. Mm. Je suis scout, on fait des camps, des trucs, et puis ça me permet d'avoir de l'argent, même si je pars au camp, je fais mes petites dépenses. en tout cas, ce que j'essaie d'éviter au maximum, c'est de tendre la main. Mm-hmm. Ça ne me plaît pas. tu aikin da kika tun kina kike il ya amfana miki ya amfana miki kuma wace experience yake da da zaki partage tare da mu beaucoup de choses et beaucoup de choses sur ça par exemple un petit travail qu'on de la journée comme ça là pour avoir des, beaucoup d'argent comme 10 000 15 000 je peux le faire dans une journée et pendant les vacances j'en ai plus de temps pour avoir don ki samu ki dinki kun fandala vacances an yi samun kliyan da dinki da musamman ma uniform da sauransu Wi kom ya les shi chaque man chaque man ya les shi na nan ga yin dimci ina samu karamin example ban nan ga kai dimci wani warin tayar ya mun foran dubu ko ya ci kuɗi na haka dai eh, ina yin creation ko ma ya miki dinki ce bai birge ki ba eh ina makaina abin da nake so eh c'est parti pour la pause musicale les amis za mu shakata da wannan faifan na buraima Disco don dangon wani ba dai musical de la fada bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada kenan akan maudu'in mu na yau wato sana'o'in da matasa ke yi a wayannan lokutan na hutu amfanin su da muhimmancin su gare su. Eh ma question suivante. Certaines personnes pensent que les jeunes devraient consacrer leurs vacances à se reposer, à se détendre. Quelle est votre opinion sur cela Et pourquoi est-il important d'avoir des activités Omar, je commence avec toi. To hutu ko aiki wanne ya kamata mutum yayi? Oh, gaskiya ko ya kamata ya dan gama duka biyu <laughs> wala a gama duka biyu tun da shi gaskiya ko da an ce hutu ne ya kamata a ce mutum yana aiki kwa tun da wata uku abu ne mai tsawo kwa tun da yau a kwana a tashi ma sai hutun ma ya shi mutum don gaskiya ya kamata a ce mutum eh, cin hutun nan yana profita yana aiki amma aiki kullum kullum kuma yana yi a aiki kullum kullum gaskiya bai yi tunda yau rayuwa tana son hutu e kuma in mutum na aiki kullum kullum akwai gajiya in kuma mutum ya gaji bai aiki wadda ya kamata don gaskiya kamata a ce akwai lokacin hutu kuma a samu lokacin aiki ba Oui, plus ou moins, je dirais. Les vacances, c'est fait pour se reposer et c'est aussi fait vraiment pour. Euh, Fructifier. Voilà. Et créer quelques activités Générat génératrices de revenus. Thomas, donc, Qu'as-tu à dire à ces personnes-là qui pensent que les vacances se fait exclusivement pour se reposer Je dirais que les vacances se fait pour se reposer, mais pas exclusivement. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, tout travail bien fait mérite du repos. Mm. Tu fais des études pendant 10 mois. En tout cas, pour euh, quelqu'un qui est logique, c'est normal de, de se reposer. Mais il ne faut pas se fier trop au repos. Parce que en se reposant, on, ne gagne rien. il faut alterner entre les deux. En tout cas, il faut un peu travailler. Il faut travailler en tout cas 90% de, du temps et les 10% pour se reposer, pour se préparer à entamer une nouvelle année. Oui, oui. Nana 90% et 10% a bah, c'est c'est fait seulement pour les cas d'études. C'est reposé seulement pour les cas d'études. Pour moi, à mon avis. Oui, oui, oui, oui. Mais ça dépend. De, il y a des gens qui pensent que c'est pour se reposer et il y a des gens qui ne veulent pas le repos. Ah, elle est timide, Nana Aïcha. Majidou, que tu waɗanda ke zama gida ba sa komi a lokutan hutu to in dai shawara guda zan ba su mutum ya tashi ya nemi nashi na kanshi na shi a gaban komi mhm. na aikin gana hannu ko Allah bai kwado ci gaban ka yayi akan ikon da kake yi ka dai iya aikin ka hannu kana tayya ka taimaka ma kan kuma ka taimaka ma wanda a tare da kai mhm. shi ne kawai to yadda dai Abdulmajid yake ne su tashi su kama kansu tunda zama hakuru ma kanan bai yi wallahi bai yi in ba haka nan kullum wani sai ya nuna ma abin da ba daidai ba kuma tu es obligé de faire certaines choses qui en tout cas qui sont contraires aux règles de la société ka san haka nan ko ba ta yiwa quoi wani sace-sace wani les terrorisme ma ils ont enrôlé les jeunes qui n'ont pas de mhm. travail c'est pour cela baka nan baka da aiki baka da komi a to a nuna ma kuɗi waɗanda baka tab tu n'as jamais vu ça dole ti oblige da sede kana zuwa ka zo ka yi kashe kashe ka gani ko abin bai yi ba inda ka yi dan aikin ka ka samu abin da abin bai ta da ma hankali ma ne to a ce abi ce a kullum ka rike kuɗi wani kuɗi bai to ba ku ganin kuɗi da karatu bai bata ma yaro karatu kamar in ya riga ya sa kuɗi a cikin kansa to ni dai je prend exemple sur moi mon cas ni en tout cas bai bata min karatu ko kaɗan ma au contraire ça m'a aidé Je wasu abubuwa ma bai kai wani wani kai wani menene ni de problème avec personne mhm. vraiment sur moi ça a pris un impact parce qu'à un certain moment je partais plus prendre mes cours parce que ce que je faisais me prenait tout mon temps c'est pas facile ça c'est pas facile pour moi personnellement c'est pas facile pour moi <laughs> je fais des mois sans me rendre à l'école sauf s'il y a des examens je pars je fais les examens et tout je suis habituée à rester chez moi pour poursuivre mes activités <laughs> <laughs> a ganin ka yaron da ya saba da dala zai tsaya yi karatu ko kuma zai yi irin na farida ya rika shoma is good gaskiya abinda abinda mun ka gai tunda an ka ce eh, kamar in yana unhwanan shi sai fara lokacin hutu yana yana unhwanan elef ya je ya yi aikin hannu da sauransu amma kuma akwai impact akwai impact tunda yau in mutum ya samu neman kuɗi kamar neman kuɗi gaskiya abu ne da yana da wuya abu ne in mutum ya saba to mutum bai iya barin shaka haka fasilma to mutum ya zo ya zamna ya ini bai samu ko dala ba ka je ka yi aiki ka samu kuɗi kana yin mutum na bude bukatun shi gaskiya abu ne mai samun impact tunda ni ma gaskiya ya samu impact kaɗan saman karatu a lokacin da kana karatu kaɗan sai sai ya ya iske deja ni nayi kusan idawa kwa tunda je ta deja an san kima ne mhm. ya iske nayi kusan ida ne eto mais quand même avec une bonne organisation moi je crois bien que comment et peu importe le degré de l'impact mouton y a supporter vraiment a Avant de clôturer, nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Amis jeunes, bonjour à vous Aujourd'hui, dans la chronique de Tous à la Fada, nous abordons un sujet préoccupant. Il s'agit de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer et de nous connecter avec le monde qui nous entoure. Cependant, euh, cette omniprésence virtuelle n'est pas sans conséquences sur notre bien-être psychologique. Tout d'abord, les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour favoriser la connexion et le partage d'informations. Ils nous permettent de rester en contact avec nos proches, de découvrir de nouvelles perspectives et de participer à des communautés en ligne. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui se sentent isolées ou qui ont des difficultés à se socialiser dans la vie réelle. Les réseaux sociaux offrent également une plateforme pour s'exprimer, partager ses idées et susciter euh, des débats constructifs. Cependant, il est important de reconnaître que les réseaux sociaux peuvent aussi avoir des effets négatifs sur notre santé mentale. L'un des problèmes majeurs est l'exposition excessive au contenu filtré et idéalisé. Les utilisateurs ont tendance à présenter euh, une version colorée de leur vie en mettant en avant leur réussite, leurs moments de bonheur et leur apparence parfaite. Cette surexposition à des images retouchées euh, et des vies parfaites peut engendrer chez certains un sentiment d'insatisfaction, d'inadéquation et de jalousie, créant ainsi une pression sociale inutile de plus, les réseaux sociaux peuvent également contribuer à l'isolement social. Malgré euh, leurs aspects connectés, de nombreuses études ont montré que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut en réalité nous éloigner des interactions réelles et des liens sociaux solides. Les relations virtuelles ne peuvent pas toujours remplacer la chaleur humaine, le contact physique et l'empathie que nous trouvons dans les relations en face à face. Passer trop de temps en ligne peut également entraîner une dépendance aux réseaux sociaux avec des conséquences néfastes sur notre bien-être global. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. On se retrouve demain dimanche pour la suite. Merci Senu. Haka ne kawo na na wannan ranar Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie de Abdulmajid nous élève en classe de 3e, qui profite de ses vacances pour faire euh, des petites activités, des petits euh, métiers. Nous étions en compagnie de Omar Samna, il est entrepreneur, de Farida Douré, elle est étudiante et entrepreneur aussi à Karatu. <laughs> de Nana Aïcha, étudiante aussi. Euh qui fait de la couture, c'est ça, pendant ces temps creux, et de Mahazou qui fait aussi plein d'activités, <laughs> surtout pendant ses vacances. Et comme ils l'ont dit, il est important pour un jeune d'apprendre un métier pendant ses temps libre. Comme l'a dit Mahazou, c'est 90% de boulot et 10% de repos. Les vacances, c'est pas fait que pour se reposer. Voilà, merci à tous de l'avoir suivi. C'est comme vous dans la Kaimunare, de za mu dawo muku da wannan à Amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye Studio Kalangu.